ont été désignés comme global terroristes terrorists. They are uh, Abu Bakr Shakal, Khalid al Barnawi, et Abu Bakr Adam Kambo. Un échec de ce sommet comme les autres, parce que ceux qui ont pollué, ceux qui ont détruit la nature, ce sont ceux aujourd'hui à qui on veut donner la vie. Grâce au changement de pouvoir par les yeux, et le renforcement progressif des institutions. عطوا الشرق حقهم وقولوا كيف ما انتم تعيطوا تقولوا انتم خوتنا عطوا دم الشهداء ما يمشيش هباء دم الشهداء Things are changing and people are now beginning to make stuff from our local um, from local pieces, either from the local fabric or even from local charms or even local precious stones and stuff like that. So.